Nous sommes vendredi 19 juillet 2024, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis of Draman, à mes côtés, Fanta Chamsou. Côté technique, nous avons Issa Lawali et à l'édition Adama Dawaji. Bonjour Fanta, comment ça va ce matin Je vais bien Rukaya, la journée s'annonce bien aussi. Nous allons débuter par le flash d'informations comme d'habitude. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons entrepreneuriat et après interviendront d'autres rubriques qui ne sont plus à présenter, dont le loti, la culture linguistique et la page sport. Sans oublier aussi de la bonne musique nigérienne qui accompagne toujours cette émission. Et ce n'est pas tout, l'entretien du jour, ça sera avec Yahya Tanko, il est président de la Taneri de Gamkale à Niamey. Il nous dira plus sur cette institution qui date d'une trentaine d'années. Chers auditeurs, installez-vous confortablement pour savourer notre programme. Top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Chers auditeurs, tout de suite le flash d'information. Aujourd'hui, nous avons Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Rokayatou, bonjour euh, Fanta. Bonjour Mokhtar. Nous débutons le flash d'information avec euh, le Millennium Challenge à compte MCA dont le projet est à terme qui a rétrocédé à l'État du Niger une quantité importante de matériel et moyens logistiques ainsi que d'autres biens mobiliers a déclaré hier jeudi 18 juillet le secrétaire général de la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Mossi Salou. Le, Millennium Challenge Corporation MCC est un organisme de coopération du gouvernement américain. Il a intervenu au Niger pour la mise en œuvre du compact du 26 janvier 2018 au 25 mai 2024 à travers le Millennium Challenge à compte MCA Niger. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif a lancé hier au Centre des métiers du cuir et d'art du Niger la première édition de l'exposition vente des produits des centres de formation des métiers de la région de Niamey. Cette exposition vente a pour objectif d'accroître la visibilité de ces centres, mais aussi de permettre au grand public de découvrir les efforts des formateurs et les talents des apprenants. Selon la ministre, cette exposition vente conçue par la direction régionale est l'occasion de redorer l'image de marque de ces centres et l'opportunité de sensibiliser la population en dévoilant les talents cachés des apprenants. Les merveilles qui y sont fabriquées doivent nous inciter à abandonner les préjugés formulés au sujet de la qualité des enseignements apprentissages dispensés dans ces centres, a ajouté Dr Elisabeth Sheriff. Le ministre du Pétrole, Mamana Mustafa Barkebako, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de la Turquie, Alparslan Bayaktar, ont signé mercredi 17 juillet une déclaration d'intention pour collaborer dans les domaines stratégiques du pétrole et du gaz naturel. Cette signature marque la volonté commune des deux pays de développer leurs infrastructures énergétiques et d'améliorer leur indépendance énergétique. Ce partenariat est également vu comme une opportunité de renforcer la sécurité énergétique tout en stimulant le développement économique et en créant des emplois dans les deux pays. La coopération énergétique entre le Niger et la Turquie promet des avantages substantiels, notamment le développement des infrastructures, la diversification des sources d'énergie et l'amélioration de la sécurité énergétique. Et c'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 19 juillet 2024. Merci Mokhtar et passe une très belle journée. Je l'annonçais en début d'émission, dans l'entretien du jour, nous recevons Yahya Tanko, il est le président de la tannerie de Gamkali. Nous avons de l'écouter, nous allons faire un premier tour en musique avec le son Babou Kamer Niger de la défunte Hamsou Garba, l'une des plus belles voix qu'a connue le Niger, l'une des cantatrices les plus patriotiques de ce pays, qui lance ici un appel à l'unité et au patriotisme. de son vivant, a touché tous les sujets qui soient, de la politique à la santé, des mots qui minent la société, des chansons engagées aux plus divertissantes, des chansons qui reflètent parfaitement le Niger dans toute sa splendeur et sa diversité, personnelle. chers auditeurs, c'était le titre Babou Kamar Niger de Feu Hamsou Garba. Nous allons à présent entamer la première partie de l'entretien du jour avec Yahya Tonko, président de la tannerie de Gamkale Anyami. Et ici, il nous parle du fonctionnement de cette institution et décrit avec précision le processus d'étanage. taneri muka amma a samu a ta akwai wani furoje da kasambur ana kiran shi dani shi na zaka ya gina mana ita an gina ta kenzi zuwa sezi aka gina ta yanzu ya kai mutane nawa da ke aiki a cikin wannan mashimar to nan ga abin da muke da muna da mutum 147 sankaran satti mambur ka gane amma yanzu kuma muna samun ƙarin mutane mun kai mutum 164 san kati yanzu haka muke yaya kuka tsara duk wannan jama'ar wajen gudanar da ayyukan nan naku eh to kamar mutane nan da annan mun kasa su ekip ekip nan muna da ekip 23 akwai wata ekip tana da mutum goma akwai wata tana da mutum takwas akwai wata tana yin haka nan da inda ayin ekip wanda ka ga ra'ayinku yana ta haya aiki tare shi na za ekip guda ke ji yadda abin yake tsari ne shi wannan aikin na jima yaya yake tafiya aikin nan da ke gani staff staff ne kamar tun harko yanzu ake ga wani mai moto nan ya wuce da fata shigowar ta ta harko kenan to fatan nan ana fara tun in ta shigo in za a san wata ko ta zo busassa ko ta zo danya in danya ce ta zo da gishiri ko kuma da gishiri in za a san wata za a wankewa a sa ruwa a wanke dauɗa gishiri ko kuma dauɗa jinin nan nata sai a zub da waɗannan ruwa sai mu dama kanwa da karbit karbit din nan muna biɗo shi garaji inda aka tole ɗin mota ita kuma kanwa ita dai kowa ya san akwai ta katako dan da ita abinci ta ana sa ta ga ko tuwo ko ga wake da shinkafa da sauransu to sai mu gama da ita in muka dama ta za mu dama ta ta yi kamar kasari sai mu sa fatan nan guda guda akwai wani yana sa dan fata biyu wani ɗari uku wani ɗa ɗari wani da hamsin wani ɗari uku da hamsin cikin rami guda yanzu in muka sata haka nan ta kwana uku sai mu zo sai a ɗebe mata gashi shine muke cewa juma sai a je ta in aka je ta nan har sai mu daka wani haki muna kiran shi hotakka hotakkan nan shi abin da ya samu sa shi in muka je ta da can harkon to shi hotakkan nan in ta kwana cikin shi yana hidda mata kananan gashi na sai a sa wuka a shaɓe a hidda ƙananan gashi in aka hidda kananan gashin nan haro sai mu sa ruwa mu wanke ta sai mu ɗauke ta mu kai ta gida wancan na ƙasa da kun ka gani can nan muke ce ma gidan bugaruwa na in muka kai ta gidan bugaruwa muka zuba ruwa muka sa bugaruwa muka murza in muka murza ta sai mu bari tana iya ɗauka awa uku ko awa biyu da rabi ko zuwa awa hudu sai mu zo mu sake maciya wadda adda nama mu sa kijigi mu karkare ta wadda ba ta da nama mu bar ta haka nan har wannan bugaruwa kwashe ta zamu yi ita ta kun ka ga mun tala nan to wannan da bizon na bugarwa mu in can gida taki na gona aka kan shi saboda yana bari gona ta yi haci da kyau amma nan da ya zama ba a kwasa taki shi yasa aka bar shi nan ki gane ba a kwashewa bayan in muka sa ruwan nan muka sake sa buga ruwa muka murzata sai mu bar ta sayar da sahi gobe da sahi in Allah ya kai mun rai sai a zo sai a sake mace ta a sake zuba ruwa wannan da bizan shi ma har a zubda shi sai a murza ta sai a bari zuwa sha ɗaya ko ƙarfe goma ko ƙarfe tara dai abinda mai aiki ya ya dace ga aikin sai mu hidda mu kai isa mu wanke in mun ka wanke sai mu sa gishiri da gujiya ko kuma gishiri da kuli-kuli ko gishiri da dusa menene fa'idar yin hakan gishirin nan shi zai bari fata nan ta yadda muke so dusan nan ko gujiya ko kuli-kuli su kuma za su bari ta ba da laushi kenan wannan ja na bugaruwa sai shi ɓace. wane ne abokanan cinikayyar ku masu kaman dukawa ke gane ko suna zuwa su sayi akwai masu yin sak santir da sauransu in ka zo kana aika sayan hora kuma kana aika sayan mai kular kowane iri kake so akwai masu sawa kular nan kowane kular mutum ka so insha Allah ana sami shi sannan in ta bushe nan muna sai san masu waɗannan mutanen santir mize village artizana, zango da sauransu da sauran cikin ƙasa sannan akwai masu saye da yawa masu taya da ita mali saboda mali ɗaki ake yi da ita to yanzu 'yan shekarun ga abin da ya kawo muna cikas bisa ga aikin muka saba ta taya yadda ake so saboda tashin hankalin nan da ya mamaye duniya sai dai mu ci allah ya sauke dan mali in ba da suke da tashin hankali ba ke ga akasari su duk ba cikin gari bugajin nan ka zama ba suna daji tare da bisashen su amma yanzu wannan tashin hankalin Voilà, après cette euh, première partie de l'entretien du jour, poursuivons le Niger sur Kalangou avec la revue de presse. Nous accueillons Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Ruki, bonjour Fanta. Bonjour Rafika. Alors, une bonne nouvelle pour débuter cette euh, revue. Le gouvernement réduit les prix de l'essence et du gasoil à la pompe, rapporte l'agence nigérienne des presse le 17 juillet dernier. Oui, Fanta, une très bonne nouvelle parce qu'à compter du 23 juillet 2024 à 0 heure sur l'ensemble du territoire national, les prix des hydrocarbures sont fixés comme suit. Super 91 essence 499 francs CFA le litre. Le gasoil à 618 francs CFA le litre, rapporte un communiqué du gouvernement en date du mercredi 17 juillet 2024. Cette réduction explique le communiqué s'aligne de la droite ligne des engagements annoncés à l'issue du Conseil des ministres du lundi 24 juin 2024 à l'initiative du chef de l'État, le général Abdraman Tiani. L'objectif visé par cette réduction du prix à la pompe est de permettre la baisse du prix des transports et par voie de conséquence celle du prix des produits de première nécessité, rapporte le texte. Par conséquent, poursuit le document officiel, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement invite l'ensemble des opérateurs économiques à répercuter cette baisse sur les prix des produits et services conformément aux engagements souscrits. Évasion à la prison de Koutoukalé, la majorité des fugitifs appréhendés selon le journal en ligne Aïr Info le 14 juillet 2024. Effectivement, le 11 juillet, une mutinerie a éclaté à la maison d'arrêt de Koutoukalé, considérée comme la plus sécurisée du pays, située dans la région de Tilaberi. Profitant de cette situation, plusieurs dizaines de détenus ont réussi à s'évader, a indiqué le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité diffusé le 13 juillet sur la télévision nationale. Grâce à l'intervention rapide et efficace des unités de sécurité alerté, une grande partie des fugitifs a été appréhendée. Le bulletin a mentionné également qu'une unité en patrouille dans le secteur de Gourou, région de Tilaberi, a réussi à localiser et neutraliser trois individus armés activement recherchés après leur évasion de la prison de Koutoukali. Suite à ces événements, un couvre-feu a été instauré dans la zone de Tilaberi par les autorités locales le jeudi 11 juin 2024 à partir de 21h. Il est précisé que ce couvre-feu concerne la circulation des piétons, engins à deux roues et véhicules. Mais le mardi 16 juin 2024, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Tilaberi a annoncé la levée du couvre-feu instauré. Et un autre sujet de gouvernance dans cette revue de la presse, le Premier ministre Lamine Zena rappelle les quatre axes stratégiques de la vision du président du CNSP selon la, presse en ligne Actu Niger soumis le 14 juillet dernier. En effet, le Premier ministre de transition, Lamine Zen Ali Mahamman, au cours d'un point de presse qu'il a animé le samedi 13 juillet, rappelé aux Nigériens la vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdramantiani. Cette vision qui s'exerce depuis le 26 juillet 2023 repose sur quatre axes stratégiques autour desquels s'articuleront les actions à mener au cours de cette transition pour la Fondation de l'État, la redéfinition de notre acte social et politique et le bonheur de tous les Nigériens. Il s'agit notamment du renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale qui s'appuie essentiellement sur la mobilisation des efforts pour faire face à la menace du terrorisme et aussi sur la cohésion sociale à travers le discours de rassemblement les Nigériens autour d'un idéal commun, celui de l'appartenance à un même pays et le réveil du bâtisseur des nations qui dort en chacun des Nigériens de la promotion de la gouvernance où l'ensemble des autorités doivent travailler dans le respect de l'éthique qui est essentielle lorsqu'on gère les affaires publiques, du développement des bases de production pour la souveraineté économique pour veiller à ce que des travaux se fassent pour permettre à la population d'avoir des espèces de production et enfin de l'accélération des réformes sociales pour revoir le fonctionnement de notre administration, de mettre un accent particulier sur les questions de formation et aussi de travailler à regarder les programmes, y compris les programmes scolaires, a précisé le Premier ministre nigérien. Dans son intervention, le Premier ministre a fait savoir qu'ils ont deux objectifs sur lesquels ils travaillent avec conviction. Il s'agit notamment de la justice sociale et de la bonne gestion de l'argent public. Et voilà pour euh, la revue de presse de cette semaine. Merci beaucoup Rafika. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le sur Kalangu et nous allons passer à la deuxième partie de l'entretien du jour. Ici, Yahya Tanko parle de la provenance de la matière première et quelques difficultés auxquelles leur activité d'étalage fait face. To tambayar da ya kamata mu fara da ita ita ce za mu yi a yanzu. A ina kuke samun fatan da kuke aiki da su a nan? To, fatin nan inda muke samun su, ba ka muna aka ba mu da kan muna kitiya bi su ki ganin daidai muna samun hata a batuwar na biyu babban kasuwa inda muka samun hata shine katako akwai wasu mutane da muke kira ko kolaktar su ba su da wata sana'a sai ta su sai fata ko ta awaki ko ta laguna suna tala kina ganin mutum ya tala kina iske mutum guda ya tala hata fiye da dubu goma kin gane ko to wurin suna muka samun fata da yawa sannan muna taya kasuwan ne nan gehin ya mai babu kasuwan da ba mu ce kiga dai muna cin kasuwan birnin bayaro mu kaya hwata. muna cin kasuwan kwalo a kaya hwata. muna cin torodi muna cin kubage muna cin duka da ke kasuwa habban yara duka da hawalam da nan muna taya har talibiri ke muna hituwa da hata haddan mali mai gashi mu kata nan burkina hadda cote d'ivoire har ghana muna nan mu je mu saida in kasuwa yayi mun taba mutum ya taimali ya yi kwata mai yawa ya zaka ya gyala to yanzu dai sai a ce alhamdulillah to su sauran kayayyakin aikin hakukan da kuka zano su bagaruwa da sauransu duka a ina kuke samun su to bagaruwan ne da muke yi ta zo gare mu na daidai bagaruwa tana haito mana daga birnin bayero akwai 'yan kasuwa waɗanda su ba su da wata sana'a sai ta bagaruwan nan in kakarta ta kai su te su sayo muku mu sayi gare su tana haitowa mu daga Eh, abin ga dogon duce sadin nan na dogon duce zuwa ko ina zuwa dan katsari kirya da sauransu ana biɗo kina ganin an lodo ta wani bi a ton wani bi a wutalam tana hito mana daga maraɗi maraɗi koten ɗan isa koten tasawa daga can ma ana lodo mana ita talam talam aka tana hitowa daga zandar duka ana kawo mana ita sannan kuma kai mai jima in kana da jalinka kana iya ka sai buga ruwan nan ka aje saboda aikinka sannan ita firatiki wagga tamu tana da jalinta na sayan bagaluwa don taimaka mu mutane in ta sayi ga kaka ta aji yanzu har haka da bagaluwa ba ta shigowa sai azan sai saman mutane duk saku abinda aka azamin shi dala ɗari mutane da jama an zamna an yi magana an san ko sako nawa firatiki ta sayi kuma an san ko nawa ta saye shi kenan in za a sa bagaruwa ta firatiki sai a ce to ita firatiki na an yi ta ta taimaka wa mutane duk sako abin da za a aza dala ɗari ke jiya da tsarin bugarwa yake to ita kular kinnan da kuke sawa kala kala gashi a ina kuke samun su suma eh to kular yanzu kamar misali in za a siyan kular zuwa muke akwai shi ana sai da habaganda ana sai da kasuwa na katako ana sai da kasuwar wadata kamar mai sa kular ko wani kular yake so cina yake taya ya so ya zaka ya sa kular kin akwai wanda aka ce kamar su masu yin saka da santir su kawo maka su ce kular kala kaza nake so ko maron ko baki ko ja ko duka dai kalar da kake so yanzu kamar misali kai ka samu kumandin ka kai mai kumandi in ka zo ka kawo muna kular ka ci ga kwalar kular din da duk kake so to kudin kular din sai ka ba mu sai mu taimu so ko kuma ko baka ba da ko da ba ana ta a so kular din a yi maka in aka ce ma ga lokacin da zaka zaka ɗauka kular ɗinka in ka zo ɗauka sai ka biya gaba ɗaya wasu suna ba da abansi wasu sai sun zo doka haka nan na tsarin yake. Da aka gina wannan majemar izuwa yanzu shekaru kusan talatin wani irin sauyi za ku iya cewa kun samu. Eh to a gaskiya gina talenu ku yanzu mun samu canji kware saboda da sai da ba a gina ta ba yan lamun da muka yi ba su wuce doka fata ɗa hamsin ko ɗa ɗari cikin sun yawa dai bakin ɗa ɗari yanzu muna iya musa ɗan fata ɗari hudu cikin lami guda kenan ke ga an samu canji sannan kuma kasuwan nan ta karu bisa gada sai 'yan shekarun gade da shekaran nun gade zuwa shekara biyu zuwa uku shine kamar rigingimun gane tashin hankali shine ya kawo muna rashin kasuwa amma yanzu alhamdulillahi gwargwadon abin da duk allah sa mutum ya samu ana samu shi ke san kasuwa ba kullum ne za a ciya bata ta yadda ake so waɗanne matsaloli ne suka fi ci muku tuwo a ƙwarya a cikin ayyukan nan naku eh to yanzu mu kamar nan wurin mu babban matsalar mu dai duk bata wuce in mun yi kaya ba mu sai da ba mu a matsalan mu babba duk bata wuce rashin kasuwa ba dan in kasuwa ta haya mu ba mu da wata matsala yanzu akwai kayan da sun kai shekara uku a ba a sai da su ba ke gaba a ci gaba ba ko ba gaskiya ba to mu rashin kasuwan nan shine a babban matsala gare mu amma in kasuwa yayi ai babu wata matsala in ka yi kaya ga mai saye ya ba kuɗin ka koma ka so wani dan abin da ka samu kaɗan ai sai ka yi muradin ka to in ka yi kaya ka ajiye ba ka sai ba kana jiran mai saye Voilà, c'était un entretien avec Yahya Tonko, le président de la tannerie de Gamkali à Niamey. Rukaya, on fait une petite pause et on se retrouve après pour la rubrique hebdo. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique. Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. La rubrique euh, hebdomadaire d'aujourd'hui parle entrepreneuriat et ce soir nous allons à la découverte du groupement Bongouda Bay qui a été créé il y a 14 ans et cela avec 32 membres. Ce groupement compte à ce jour 303 euh, femmes qui exercent plusieurs activités génératrices de revenus. Selon la présidente Madame Bourema Aïssata Seydou, en dehors du commerce, ces femmes bénéficient des séances de sensibilisation sur le bien-être de la famille. Suivant cet entretien qu'elle a accordé à notre reporter Hawa Ousmane. Pour na sintene sur dai projet a adi irse irga sabai ga sambu noru irga almaniyan hein, biri ten almana biri girfo handu iddu ilmu bana projet tane de été irga no te irse hayo irga sabai ga biri mte handu idirin bana in yegi terse ko ni yadi yadi nde ka da giro ban alwodi mo bisa so ifte jirgu kesno go irse so kan irga gisi way boray sentengadan waywoy kesora ir musambu handu iddu ir ir bon wonde no ir gisir de no ir bon seno fono ir na sambo da giro ban ir ma keso feri bor kul mu do kaga do yeti ni cela mo sambu da garo handu zan mo yetti yadin yadin da no giro mo bu irga cinka dandal way way irka sora to dalwa ya da inga nor te da invitation burkan sin da bani burkan du matsala fo hay fo da irga sambu ga charta mo ko dalwa ya ra. to zanga oy bure kan go group mo ra fo gati kan bugo yanki gote to lalle kan bugo yan wona sana akwai bobu gono bure yan wona kan igate dambu ko da e kolganera bure yan wona kan igate tu bani ga kwanda e ga nera dan wacho ko yanga ti ga kwanda e ga nera ndi nera ndi koy bobu gonde yang gon e e kan ndi ngay frigo yende so ngay le mo har ngay apolo te so ngay barbare kan ka wai bore woni ngay woni kan bo ki goti group mun wo maga aran sin da sana yin kan aran gati kai imini zanga so han sai duga be fete group mun ko imini woni group mun ya kinno ngemi ay kan dingi kan irna wodin sigira te me ine iga hayo irse er halka son dai wodin wo er irne mai hamtum irne tirai te ir kwanda me wodi mo ka ir mandu wajena boryan ne tela im bore donda nandi boryan ne machine boryan ne kuli kuli sonde halka sonde wodi mo ir mandu wajena gaskiya ma duddu projet o ka ir ba wodi ya ir ba tonton to kan na ka din zanga nungu go na ka mai bore igiti isi bon fere an kan giti kyoyon da antoyo wodo aran kuma abai gudu wodo ma kyoyon wodo hare kanda me zan kai dai no koi zan kan wanda ya cin kayan siga fut sitte ngay no koy ga wode wodon do no makaranta dai no go irsi alwati ngono kan igini jonti en enka ni zanta wani gibo ngay feri gile kale ken da izai ne sai wodo rum hankan gitinin guhan ne wodo aran gurfu ne wode aran gogo sigir en yadda mutu burai raise er gogo te gumo sensibilisation ay gungo da ay bandai ay go sensibilisation ra zama ir goro rri irgu warga koy sajaira irgu bora iboga feri irgu lakkale candi dai ka kuraramo ay gi morgu ay gi fahamandi sai kulka irko gite sajaira dir yega ka danga bora ima hanan ma habu ima zankai dan gidan saboraira to zangara gurpun wara sande fo ndimna arngo ga di sande ya bonno <laughs> wai bai miki dai a fofono to sandai ya su ba wani bai wai bare ya na kamar ya dai sandai ya dai mat kulkan no sandai si jamfa mm. gon ware dai ir koy mi di ir se dai amma gar han fo ir ga du bore kan ka gir ba ngai fer ka tonton mm. kan ga kandir se taimako ir mu du gir murada te ga bori ga tonton mm. ir mu ir mu du ga agoy de ir almuyare dir zankai dir windi koye Fidèles auditeurs, vous venez là d'écouter la rubrique hebdomadaire et nous allons en balade musicale avec euh, le titre Issa de Fatima Rico. Fatimata Gandigi Mariko, plus connue sous le nom de Fatima Mariko, est une chanteuse nigérienne elle a fait ses études à Niamey et Bougouni. Elle a développé des compétences en dactylographie avant de devenir musicienne. Elle est l'une des plus belles voix ici au Niger. Fatima Rico est née le 25 septembre 1964 à Niamey. Elle attrape le virus de la musique dès son plus jeune âge. C'est en 1986 qu'elle débute sa carrière au sein de Marhaba, dont le guitariste était l'un de ses oncles Toroba. Et c'est dans ce groupe qu'évolue également celui qui deviendra plus tard son époux, Burema Mamoudou. Fatima Rico s'impose rapidement comme chanteuse principale de la formation Maraba. Voilà, après cette belle sonorité, nous allons rester à Niamey pour l'écho des régions. Chaque année, des parents vivant dans les grandes villes envoient leurs enfants au village pour y passer les vacances. Une manière de les mettre en contact avec le reste de la famille et aussi de faire d'autres découvertes. Une pratique sociale très avantageuse selon les experts. Notre reporter Asmana Chena s'est intéressé à ce sujet. Voici son reportage. La période des grandes vacances est l'occasion pour les élèves d'explorer d'autres endroits pour mieux comprendre certains aspects de la vie. Abdul Rachid Soumaïla et Roumana Abdraman aspirent quitter Niamey pour des découvertes. J'aimerais passer mes vacances hors de Niamey parce que j'aimerais faire des nouvelles découvertes, que ce soit à Tawa ou à Maradi. En tout cas, c'est mes deux régions préférées. J'aimerais d'abord me reposer. J'aimerais également me divertir parce que passer neuf mois d'études, ça demande du divertissement. Ça me plaît bien de passer les vacances au village parce que ça me permet de comprendre la réalité du village. Cela nous permet d'apprendre de nouvelles choses car nous partons dans les champs voir comment nos parents font leurs travaux champêtres. Il y a également les mares dans lesquelles nous jouons alors qu'ici à Niamey c'est différent. journées hors de son environnement habituel et important, explique docteur Soumana Abdelwahab, sociologue. C'est également une occasion pour l'enfant de faire des explorations. Ils sont dans la ville, donc ils vont partir voir les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousines, qui entendent souvent parler d'eux sans les connaître. Les grands-parents, les oncles découvrent leurs enfants et ces enfants-là découvrent leurs parents du village qui des fois ne viennent pas en ville ou euh, presque jamais. Ils vont découvrir des petits métiers auxquels ils ne sont pas habitués. Ils vont toucher pour la première fois une hilaire, une daba, une roue, etc. Monter pour la première fois sur un cheval, faire un peu le tour, courir dans les champs, voilà, etc. Ils vont voir et manger les fruits sauvages de la saison des pluies. Donc il y a tout cet ensemble-là qui participe à la socialisation de l'enfant. Désormais, il va prendre goût. Il sait qu'il n'est pas sorti du néant et que bon, même demain, même après-demain, oh, quand il retourne au village, ils ne seront pas considérés comme des étrangers. Mariama Ouattara, une mère de famille, témoigne des avantages de sortir du cocon familial. L'enfant doit changer de cadre, au fait. Il peut aller chez l'ami de papa, l'ami de maman, chez un oncle. Il se peut que même l'éducation n'est pas la même. L'éducation que tu reçois chez tes parents, peut-être chez l'autre, ce n'est pas la même chose. Et là-bas, il se peut qu'ils apprennent des choses aussi. Et c'est un plus. Quand l'enfant revient de vacances, tu constates automatiquement un changement. Cette pratique sociale permet aussi aux enfants de faire des découvertes linguistiques. Pendant ce temps de vacances, ils apprennent quelques mots et expressions du milieu. Studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et à présent, la page sport avec euh, Gourouza Hasumi Karimou. Bonjour Gourouza. Bonjour Fanta, bonjour Rocky. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors, euh, c'est la fin des épreuves combinées de gym filles et garçons dans le cadre de la sixième e édition du championnat scolaire hier après-midi avec la remise des prix. Oui, et pour le résultat des filles, la première place a été remportée par Fatima Ali de Zender, la deuxième est les Tagadès Yana Zakari Ayuba. Côté garçon, premier Jibrila Rabilou de Maradi, deuxième Adamou Hamein et et troisième, Abdul Majid Hamed de Tilaberi. Pour les épreuves de l'enchaînement Jim garçon au niveau du collège, c'est Hassan Adamou Issa de Niamey qui a remporté la première place, suivi de Chebou Chafei d'Agadez et la troisième place est occupée par Bachir Aboubakar du Tifa. Des prix ont été remis aux vainqueurs par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la promotion des langues nationales, El Haji Idi Abdou. Gourouza, revenons au football dans ce championnat scolaire. Huit deux matchs se sont joués pour le compte de la journée du 17 juillet 2024. La rencontre d'Osso-Difa a vu la victoire des soleils un but à zéro devant Difa. Match nul zéro but partout entre Tilaberi et Agadez. Et également, la lutte traditionnelle est au rendez-vous dans ce tournoi scolaire, n'est-ce pas, Gourouza ah Oui, Fanta, moins de 60 kilos au niveau du collège et du lycée. C'est Dosso qui a remporté la première place. La deuxième place est revenue à Niamey. Itawa a occupé la troisième place pour le compte du lycée. Plus de 60 kilos niveau collège. La première place est occupée par Dosso, deuxième Niamey, troisième Zender du côté des lycéens, la première place euh, de plus de 60 kilos a été remportée toujours par Dosso. Agadez a pris la deuxième place, troisième Niamey. Et notons aussi que Dosso, dans toutes les catégories, a raflé la première place, euh, synonyme de la médaille d'or. Oui, et Gourouza, c'est demain que s'ouvre la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby en Ouganda. Oui, Ruki, euh, Kampala va accueillir 8 euh, jours durant cette compétition continentale qui va regrouper 8 nations. Le Burkina Faso, le Sénégal, le Kenya, euh, le Zimbabwe, pardon, l'Ouganda, pays Haut, la Namibie et l'Algérie. Les compétitions vont débuter par les quarts de finale. Les demi-finales vont se jouer le 24 juillet prochain et la finale de cette 16e édition de la Coupe des Nations de rugby est programmée pour le 28 juillet 2024 au stade Nelson Mandela de Kampala. Voilà pour le sport aujourd'hui. Rendez-vous est pris le lundi. Oui, Guruza, merci beaucoup et passe une très belle journée. Merci beaucoup. Et on passe directement au portrait du jour aux fidèles auditeurs et nous allons à la découverte de Madame Thiari Falmata. Âgée de 67 ans, mère de deux enfants, elle est titulaire d'un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement au second degré le CAPES. C'est un portrait que vous avez suivi en français hein, en, Hausa. Cette fois-ci, Rekia Arimi nous le dresse à Anzarma. On l'écoute. madan kyari falmata kyauyen wakan sai igine istuwar da jeyo alfagano kolejai da lisaira akto giri waran kade dandi kan ki kiwandi wai zai na guragate borbere kan sai igine inspectrice general giri idu de dandi hunkuna agomo nijar waiborai ful kwaraye sataira aga fatamo ga salantelai da radiyaira kokaro ka agoga ce mantin da abatu imano haifo zama madan kyarise amma ni ma bar mu banzingi telai da radiyaise zama no gati fondo kan ga labarin samba musamman gadu gato sagi waiborai ga irga ba mu irkai ne irin yanai irkai kan go kauye irmi katibi irmi kawai idullu irwo inir inir iter se bon fere ir bon bo ben fere ne kirdu ir hima ir ma yeti se radio communautaire ra zakan we barenu kan sin de gindi ir no gandi ginda ir no go gini ir no go fur gini gi fansa to we barenu ir gi bon feri ingai mu manti zami go gallu kauye biyo rasenu ihima gi kamba banda isi dan kwara kwara mazada harakara wani seno irin fatatele midi midi kan wai borgin hinga sala zabun bo conference man sintin kaina kaina ko na kan conference wote irman maka ni ir te tele ir dir kwara ni jar kulu wai bare fata. wodi zawa to dinu ir ir sintin ga te tele e zawa to dinu demokrasi wo bugu ga fata. da no parti fombu da no ong fombu radio ikan kan bomo dan cari ga fatta ga salan aga salan no hari dumi dumi bon wana wana har kan gaci ti niger wai bore wani alhakai bon to irgo kalangu girke tambara yan gono rts yan gono duniya yan bon ferai e radio communautaire e girke de ba e irga te de ba irga ki lokol wo ko boranda albor haraka bon hige kai ga targa te wanda wanda yayi se ka iman hima gitar gihi gendi ima zankai dan lakwal surtu izo wai bor amdu ga zada ga te leader ga duginga a wani ya fa ba ai wo sabiyan tira da man ti ordre de mérite u kai do na ga no fonctionnaire si ir ya mandu ai wo sabiyan tira kan si kan ai sidirin kalangu radio kalangu kan nerke ir bor bobo al borga wai borga ir wo man ba amila zama di ya ir man mila han yan gir sabu ya dai ga kwai ir ga salan ir ga dir inir ke inir no tira ini ngai makani ir ke mu kan ga tir se wa Madame Falmata, zingi irigugo inre madam falmata izihin kanyano igogan sabu a wani kokaro kan agoga te waibor aibon Je mo waibor kindai ma ke gana igoga an am koi fonda hanna un peu ngigi hinige Je à un peu reunion suis un akwai reunion akwai seminar akwai mission peu to borno fisi bila kanga tangam gumo ko bore al hakora aga bori gumo zama bor borbo buka kubera kan wato isabe kan hankan gogi dame wala hankan gogi sakulla igin ga ki radio wal tele am doga problem ay zada sanni zuraise niger labo bor bubu sifatta gasala radio da telera madam chari falmata ginga ke yongo tonan di iga in fatta gasala iwana alhakaibo Merci Rekia Rémi pour ce portrait et nous allons pour notre dernière balade musicale avec le titre Bouzois de l'artiste Abdou Salam. tigeduma everybody wants ma tigeduma kuma wants ma tigeduma laraba wants ma tigeduma balle mu abun bugado ne balle mu abun bugado ne aga da sashe gurin wasan can naga buzuwa da kyawu gashin na ta sai tsakabanta ba ta mishkuda ga gashin ta ta tsananin tana da kyawunta suna yan gari suka samu na so su bani aura na san ba su bani so su bani aura na san ah, ba su bani bani da ragumi da kala bani da turkuki gunin sana bani da ragumi da kala bani da turkuki gunin nan ba ki din tige din ma balle ira su aura kenan ba su bani in aura kenan ba su bani in aura haba maryam haba maryam bayan zo kidan abun bege ne kuma gado ku samari samari adam da ku samari ga kidin kuna adam na ce ga kidin kuna ga kidin kuna adam na ce ga kidin kuna karu ga kidin kuna absin na ce ga kidin kuna karu ga kidin kuna gado na ce ga kidin kuna kamshi kai tigedin ma tigedin ma tigedin ma tigedin ma eh

Voilà, chers auditeurs, c'était Tigé de Ma de Mamoudou Abdul Salam. Et à présent, on passe au loti du jour. Oui, Fanta, parlons hygiène et assainissement de la chronique loti d'aujourd'hui. Beaucoup de maladies sont causées par le manque d'hygiène, la consommation d'aliments ou de l'eau contaminée par des bactéries comme le choléra. Et c'est une maladie fréquente, surtout pendant cette saison de pluie il est bon d'éliminer la menace de notre environnement. Salamatou Kadiri et Reki nous en disent plus. yage ba windo bandi ya ci ne mun ganin ya bumbo da mamayin kai gaga salamu alaikum salamu alaikum sadiya ni gono he wa alaikum salam hannatu nin no bismillah me hey farino ni fun son kin zaro wora a ah, ayyeka dai kwai ne kai go ka ni zo tagai aggo sagyo ga hani window banda matkin senon teginan wane dum kagate ko ni matakan ai diya daman ti wane ti shintina eh ni mu hannatu ni kan ga zan kai bai ai wai zan kai si babu bonin gai mu go da salanga kan goyun dora wodin sai nai mu ga faida im koi gatin gai muradu tarai mi sai dorandi haba sadiya wane man ta ga hagi nomi ni bai hankan wane ginga kan dai ifono gi lakkal tunandi hei kai diya ranir gobo wani dirgan hei za kan zibi kulkan gono haro ga bisanda hannu ko ya kai kunnon sigar ni fandabo yadin mono irgo kai di yara amma wani dano ti dalilo kan dimen him gana ni zan kai misagyo ga daman ti salan gaira aha ifose gunni window bangu gana go. ni zan kai go sagyo ga yadin ga ga hin koi tuno din bango ga da bangu tono din mu ni be kan aga hago saga da wadin kaga temo kwaga kunno kaga bagan da kolera ai bu hayir koi kolera o oh, kolera koi ne mamban irin gogin ni kwaga gun matakan ni batta ga zibin da tasi zibai niya ne hare gado ne ni hare mo hare zibi kimon munu ha to gune to son gune irim sambu hamnai wo im koy lamba kwara bandaga im ye kaga lamba gan kan bai dagan jinai ga aran jinai kunno ga sagame hey ai singa ba faman din sai sandai ga yin kan dagan sai sandai ha dai dai seno irgo zuru dai ifono ga kata ko kolera kolega wo borga bogai di cara ga walmo igwin dantara nigdi matakan nig tegbe kan kolega go borga boga so ga bani bani te boga gunda ga zakai boga inga san modin na harzi bohan nidimo dogi zai kwe lam bok ga wadin ganan bok tele mu kankam haya dum moga te sabili kan boga jan inga ga mu haro litir wechi nugu walwa kan sa bai zari kulu koyin sadiya dindini zai gonda alamai wo sori banu yeri walmo bintai magurge te kwanda loktor kwara kan gama nu kauya ga daman tiya ne dogo wadana bor di diman wasi ga bora safar a hinga bor wi lokaci kai na ga subhanallah he wai bongo bun bono wone kul gano ai sibai mata no ai ga tegu wa da kolora doro sintina gano windo him ga hanan aga him ga kan benyum kai ni kai ni kula mbori aga mi yeg da salan gai koi ni kan ga mogun da haga yiki ga hando yadin mono ngwa ga yi karan ganwa aga mi nyuma mbori halagan ginwa mono dingo hinama nan wago munini halagan ganwa hey hannatu ai sai mata nay gin bananda ma fondo goy da bon fera wa kan nekata ga ton tangai sai zamdu man ta dai singa baba ai kan gadu inde almiyalo man ta ai kulno da bogay go char bandu wai himgi ga gaksi nay ko mu ma ga himgi tela bori zami du bogyan kan ga dori zogo kwaga woga zagal laikal kauye da ya dinga yikim ga hagoi dikbo wadin masillakal tunan dihun kun me dainu ay ga yadda zan kai fatta koy sagi tarai ko inda manti salan gabo ya dum mono kaina kaina fo kulu ai gina irin mir kambanyum don wadu ta ya kirgun wa dungurai da mangai da lemai kula gina irin min nyum alim buri irin mu wa ya dum mono har da gorka sina ko ga salan yisi to madalla wane bisami to ai wakka to yi kwara bai dai kai gono din gai baki eh hannatu to zaron buri munai gifo mu fonda bai mu da kokaro hannatu musu dirga nai ba dono Merci à Samira Rouafi et Salamatou Kadri pour ces lotis. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Alamine Ouachar pour la culture linguistique. Bonjour Alamine. Bonjour Fanta. Bonjour, bonjour Alamine. Pour rappel, Alamine est journaliste traducteur à langue tamashek au studio Canon. Merci d'être avec nous ce matin. Le mot de la semaine est compétence. أولا زلا داد نشي ولا في الارد ويقال نطفر دستان وكومبيتانس صادو تزير دار ويقال مصنط يعني مصنط في لقنا ويقلنا انا النظام مدي نشغل هروادة دي الهمة رجعنا دستون الهمة رجعنا دغن دستون مصنط في لقنا ويقلنا انا سجوار ندني توستان ناسيون زينيا وتوان شينجي من مرور كوز يكاسا مراوت سموز دات ليلي تنجي ازلوات كسدنت في لقنا ويقلنا الهمة هروادة مصنطة انت مدريد سنتاسا دغت وقلنا تفر تانا كومبيتانس تموس أرتا غيلي غلي نرتا نقوتنين فلقنا وقلنا مصنط نشغل دغا آه، مصنط نتهوليت هروادا دلهمة تتكفويدن هروادا دمك كنت دا وستي تقويدن التيد دستبي نشغل وين السنتاسا موس نرتا آه، توجين دغس السباب ناس الشغلية أنا أريتون كن دبا من دمغاس إلا نهمت همتني تمرن إلا ما سنر دغاس فلقنا وقنا ست الدين الشغل ويتا قوي ديني موصر دغرة وين ساتدين الناس ويدن زوا الفن ويلا دغاس ما سنت هو ديني لا دغاس الهمت أس أسورت الله الشغل دي ورت الله ويدو توزيجين هذا وانا فلقنا وقنا زوا تكسدن الدا تكاستو فلا تسكن ودبارة وين قلين مصنت هل وارد الهمت أنت مدريت فانت دا وانزا زكي numéro à pour euh, cette explication du mot compétence en tamashek. Merci à la mine et passe une très belle journée. Alors, fidèles auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en français, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous parvenir, à nous faire parvenir vos messages vocaux ou, ou écrits au 82 89 89 64. Écoutons quelques-uns de vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Studio Kalangu, Allah ya tsare mana ita kuma Allah shi inganta ta Allah shi kai ta wurin da bata kai ba na gabatar da ga addu'a saboda irin shirye-shiryen da suke yi kamar mayyan mayyan gidajen raduka na duniya irin a ce BBC ko a ce maka Germany ko a ce maka murya Amurka sai ga a ce takanas suna da wakili a gadas takanas suna da wakili zandar takanas suna da wakili difa da duk sauran mayyan birane da irin ƙananan hukumomi irin ƙasar kwani to duk gidan radiyon da kaga ya kula da matsacin shi kawo irin kamar alherin da talakawa suke ciki ko rashin alherin da talakawa suke ciki to wannan gidan radiyo ya cancanta mu jinjina mishi mu ƙara yaba mai kuma mu ƙara sa shi cikin mu saboda mi Allah shi mishi kariya dan in kana sauraron studio Kalengu dukkan labaru na cikin ƙasar Niger cikin kashi ashirin sai ka samu kashi goma to ba wani gidan radio in a cikin Nijar ke, in ka hidda na ƙasa wanda ya daraja istiro kalangu ni dai ban ganin shi ba dan istiro kalangu shi kadai ka ɗauko maka maganin mutunan tera shi ce ga abin da ake ciki na harkar noma ga abin da ake ciki na harkar ruwan sama kuma istiro kalangu shi ɗauko ma mutunan gingime a ce kuma ga irin halin da mutanen gingime suke ciki kaga kenan wannan gidan radio muna mishi fatan alheri in kana nan birnin kwanne zamne kana jin murya wanda a agadas ga irin halin da yake ciki kaga alhamdulillahi yana waye matalakawa Nijar sosai irin su san irin Nijar wadda ta kwakwana take tashi. Wannan gidan radio mun yi maraba da shi kuma muna fatan Allah shi inganta mana shi Allah ya ƙara tsare shi gaba da baya shi. Musa Ugine ma. aiko mai sannan kan ga kwalkwati da jiya ne ah, ne sai musa ran ga hangan na istidiyo kalangu labarai ai ga hangan gum gum wallahi godu bon fe kim kim kim kim gum lam labari da bayan kullu ga ma radio fo ba mayo ne ka dai da kalangu fe ga dubi hanga dinni hangam moy gama ibobo ka han mu afam iswasi ma prega ko gama ga jibu fo hinka ga gama ay wallahi wo kan ay ba gungumu france ki ne weekend e kan no iga france te labare ay ba da to lendi wal mardiyan iga hinki ba wasu kan no weekend e wani igi samisse imu imu dugu faham da boy kan sama france kina imate zam san ngade no yoga ba gumu gumu wasamen tu wul tawlik ni sadar gan gasi i program wan kalangu ne kane a wasna rata shewa da program wan kalangu a de shewa wor yan qafa wannan tidim daga wadde qalana iban misisigra at kanna samwi daga an girma giya kanar maranan da iya hasil dara tana gotne ya gas daga amadal wa daga niger ma madar di sidar ganan kul sai sawara kanti hulawe ne na kana kanin tahul hulle haruna tayiro tabbas ina sauraron program in kalangu abin da nake ganin cikin program in kalangu ya yi kyau kwarai kwarai tunda akwai yare da yawa da suke gayi kuma abin ga labarin niger da labarin waje-waje muna jinsu shirye-shiryensu da suke gai suna ganin su bisa kan abu da yawa kwanci hankali da karatun yara labarun mata hakan ga labarun matasa duk suna ga yinsu eh, abun da nake so kalangu a takara saban program in shi shine shi da mareke ne kalangu ga budewa inda son samu ne su bude da saye muna son wannan kuma su dinga kara sama yar kinsu su dinga nemo wa'ansu labaru kuma su kara muna kamar na yara hakan ga matasa muna son shi eh da ambiance gaida gaidawa ko eh na gaidawa hakan ga kamar ina gaida wane ina gaida wane wa'anda nake ga gaidawa kin Niger ina gaida iyaye na da su da anyame ina gaida su ina gaida matasan bankila da duk gaba daya da matasan Niger duka gaba daya ina gaida su duk wanda ke jin gaisuwar ga ina gaida shi Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin ce numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci de nous avoir écoutés. La technique était assurée par Issa Lawali et l'édition par Adam Dawaki. Très bon week-end à tous.